l'ordre euh, ñom du ñun ñoo leen di jangal maintien de l'ordre ñoom jàng nañ ko xam nañu luy maintien de l'ordre hmm. mais parfois ñu dégénérer ba am ay perte de vies humaines hmm. fofu lay waxé il faut que ñu jël sen matuwaay ci par rapport à ça parce que y a trop hmm. buñ jëlé mars 2021 mille y a trop de morts au Sénégal manifestation comme c'est comme si manifestation égale mort c'est comme si au Sénégal manifestation bu Amérique, rek mort day am. des il faut que nous jël seen une responsabilité par rapport mais la hmm. personne de Ousmane Sonko Ousmane Sonko tel qu'il est perçu à Ziguinchor c'est comme un mythe un demi dieu Ça veut dire que askan si Ziguinchor fu ñu teg Ousmane Sonko à Dakar ça, teguñu ko fa. Hmm. moo tax ma la hmm. les Ziguinchor waa laa pour ne pas dire en les amassés. je dis les Gigansorois, parce qu'il est le maire de Gigansor. Moi, je les Gigansorois, mm. mais ce n'est pas une marginalisation. Moi, j'habite Gigansor. Voilà. Donc, quand je dis les Gigansorois, c'est parce que Ousmane Sonko, il est, il est, il est, il est le maire de Gigansor. Euh, moi, les Gigansorois, Founutek Ousmane Sonko, c'est comme un demi-dieu. Maintenant, jugement, en fonction de, du verdict de demain, vous faites que c'est défavorable à Ousmane Sonko il faut que nous aussi les jeunes là nous savoir raison garder nous savons que voilà c'est c'est euh, euh, euh, su dans les règles de l'art il faut préciser. oui ça dépend moi je suis un verdict bi lu il faut que les jeunes aussi nous savons que il y a d'autres voies de recours. C'est pas, c'est pas, pas tout le temps la force. Maître euh, c'est sa dernière carte blanche. Oui, mais sa euh, dernière carte blanche. Mais, mais, les avocats de Ousmane Sonko hmm. ont, déposé une requête au niveau de la CDAO. En, formulant une procédure à sclérer. Pour nous, qui ne dit pas que CDAO donne 30 jours à l'État du Sénégal pour nous statuer hmm. ça. Hmm. Mais bien sûr, est-ce que tu es au courant de ça la CDAO a mais CDAO voilà non beaucoup les deux conventions de du cette fois ci c'est n'est pas la même chose. donc moi, je suis la légende de Ziguinchor il faut que nous nous que. Hmm. si euh, par rapport à qui qui verdict Bobo quoi quoi que ce soit il faut que nous nous que ce n'est pas tout le temps la force. c'est n'est pas tout le temps la force il y a des voies de recours à ne pas en finir. Les ñom ay intellectuel lañu ñi jang nañu c'est pas chaque fois da ngay dem taal pneu taal tout ça ça parfois ça ne règle absolument rien. Hmm. tal pneu lal fait non non mais il y a des choses mën nga intellectuellement quand même par les arguments par les voies de recours yo xamanté yoon may na la ko nga utiliser ko mais parfois c'est pas c'est pas tout le temps il faut ñu tal pneu tout ça. Euh, man tamit amel appel boobu laay lancer envers les jeunes. dëgg la dëgg la euh, c'est pas changer de discours. c'est clair c'est clair mais nous on <laughs> n'aimerait pas qu'il y ait de perte. de vie humaine. yaa xam ne da discours Alpha. non man je ne change pas. dama nekk di conscientiser. parce que on est en année en année scolaire. on est en oh, année oh, scolaire. on est en alerte maximale. on est en euh, année scolaire. bu fekk moo tax jeunes yi dañoo a dem jàng. c'est clair maintenant l'école a repris.

Alors, euh, je, donc, je pense que le message euh, passe. Donc, il y aura d'autres voies de recours. Franchement, li nga xam nekk mode de violence euh, du rek le li nga xam nekk moo di forcément euh, dara donc euh, peut-être am na lu muy réglé mais pas forcément donc c'est important niveau si vous mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax stabilité bi waaye itam ñu fexe ba ñuy àtte neen que ce soit favorable wala comme défavorable Ousmane Sonko surtout ça c'est ngi euh, femme voilà mais quand même le droit a été dit. alors une Seigne Fallou eu wax lu am solo. Hmm. Xama dama conscientiser les jeunes pour ne len, c'est pas tout le temps euh, la violence qui règle les choses le truc non il y a parfois il faut utiliser son intelligence parce que yon la mbir yon dafa am ay ay porte ay voies différentes moy manam dañ la ne bo démé fi bo amulé ndam jaral fait recours mota tax parfois on règle pas les choses par la violence ou bien ay taal pneu kii xam nga sànq lool la donne les hmm. les jeunes mais aussi il faut que aussi ñuy até il faut que ñuy até aussi ñu até ci yoon hmm. nañuy até deug parce que comme on le dit la justice est rendue au nom du peuple. Maintenant, vous faites que cette justice-là doit être rendue au nom du peuple, il faut que nous, athées, Maïsraï, athées, nous, athées, qui dégue. Parce que ce qu'on a vu la fois dernière euh, à, la Cour suprême, mm. c'est pas l'autre athée. Il continue d'enfoncer la justice sénégalaise. Nous bari japp que justice bobu la justice. dafa jeng mais lu ñuy até magistrat yi ñuy até ñom ils continuent Je nga néna la la les ennemis de la justice sénégalaise, ce ne sont pas les jeunes-là, ou mm. bien ce ne sont, pas la population sénégalaise. Ce sont eux-mêmes les maïsra qui étaient Ni Ce sont eux les mm. premiers ennemis de la mm. justice sénégalaise. Tu sais pourquoi Justice Boubahe, Nyom la Nywa Boubane, Nyom la Niwa. Mais Nyom, parce que Nyom Nyoy athée. Justice sénégalaise Boubahe. Mais euh, on va tirer le chapeau au magistrats. Ni mais Boboletei, les premiers à être épinglés, mais ce sont eux les magistrats là. Mm, mm. là, ce sont eux les premiers ennemis de la justice sénégalaise. Mm. Comment des magistrats ni athées, ni athées, bon pareil. Mais là, c'est vrai que la DGI n'avait pas le droit de bagnal nit que que ce soit récupérer mooy maanaam jël fiche de parrainage mu d'accord ci lolo ba paré nga né avocat Ousmane Sonko yéen nak andi yo len ay preuves yu suffisant yi wona né que ni que Ousmane Sonko buñ ko téré récupérer fiche de parrainage moy manam c'est liberté euh, fondamentale day nek en jeu lui loolu élection xam nga enjeu électoral bi moy manam dañ la né pour nga nekk candidat da ngay récupérer fiche de parrainage mais bo récupérer fiche de parrainage taxul tamit garanti wu la ni da ngay nekk candidat mais pour nga nekk candidat fofu ngay ñëk jaar mais yow juge nga ñoo até parce que dañ la né en droit si les libertés fondamentales les libertés de Ousmane Sonko sont mises en cause il faut que magistrat et tamit par rapport à ça si il y a des enjeux qui s'offrent à Ousmane Sonko et que ces libertés ces enjeux bobu sont sont ñu koy mais moom d'accord na ci ni que le fait que Ousmane Sonko récupère l'office de parrainage du parce que du coobare du de DGE bu ci côté bo paré ne leen yéen un andiwoo len ay preuves yu suffisant yi wane que ni que Ousmane Sonko bu les fils de parrainage euh euh, euh euh ses libertés fondamentales day nek en jeu. comment hmm. un magistrat pour rendre un tel verdict dans ce pays. Hmm. ñuy continue di observer di xol suma né nee ñuy continuer di xol man autorité yo xamanté ñom ñoy fal magistrat yoy lay wax ñuy continuer di euh, di xol magistrat yoy dans cette médiocrité. alors c'est c'est médiocre man d'accord il faut que tu sois cohérent magistrat bu fekkee verdict bi ngay doon xaar il faut te lancer dans cette lancée dans cette position depuis le début moy manam ne Ousmane Sonko hey tegoo len ko fenn la DGE a le droit de refuser. Hmm. qui que ce soit guiné moy manam bu fekkee lolu nga bëgg verdict bobu nga nga da ngay être cohérent depuis le début. jusqu'à hmm. la fin. Hmm. mais munoo avocat Ousmane Sonko yi kat li ngeen wax deug la kii amul droit bañal Ousmane Sonko fils de parrainage ba pare nga taxaw ne avocat yi yow andiwoo leen ma andiwoo leen ma preuve yu woné que Ousmane Sonko ses libertés fondamentales sont sont mises en cause yow nga até lolou ba pare nga di wax lolou ce qui veut dire que yow li ngay até sa xamoko ko mané le tribunal de Ziguinchor su ma ñëwaatee ci côté bobu dañoo wara a ci deug les magistrats là il faut que ñi rendre le verdict au nom du peuple xam nga bu fekkee Ousmane Sonko amul deug sax le Fall mën naa ko que bu avez Ousmane Sonko amul deug sax mais ñi ñuy jàpp ñi ñuy gis ni que li ngay até que vous nga ko ci yoon hmm. lu mu que vous ñu bari dinañ accepté hmm. est-ce que ce est-ce que est-ce est-ce que nga ma bu ba est-ce que avez nga ma dama même que ça soit la décision de justice buy tukkee démb ci le tribunal de Ziguinchor na até bi jaar yoon gis nga que bi bu jaaree yoon magistrat est cohérent ci s'en atte bi boo génnee verdict dañuy xam ni que ah lu mu metina métti na donte ça blesse même ay ñooñu Ousmane Sonko amna ñom waxuma ñëpp de mais ñeneen yi de bu buñu démé bu kër ga interroger sen xel dinañ am ah l'idée de neexul si xol mais até bi jaar na yoon au moins c'est ce qu'on dit de la justice sénégalaise. mais il faut pas que ñom ñuy attee dès le départ da ngay gis des failles da ngay xam ni kii lu muy até ni wu ko ci loi. Hmm. parce que man ni quand vous rendre verdict da ngay sukkandikoo ci loi non les normes la constitution lu mu wax non hmm. bu Ousmane Sonko aujourd'hui ils disent que c'est l'article L 29 neuf guenné ci le fichier électoral du justice jël hmm. article L. parce que ça leur arrange ñu interroger l'article L 29 maintenant pourquoi nous até bu interroger les articles bu que article bi na diw mais ñi andi article bobu ñu appliquer quoi? est-ce que dégg nga vous ma wax bu vous ñoom bu ñuy tuumal nit ñoom bu ñuy tuumal nit dañuy nit article bi parce que article yi ñoo ñu tënk ak ak constitution n'est-ce pas maintenant vous fekkee bu ñuy vous kooku am na article buy ni que diw ñu appliquer pourquoi ñoom ñii nay nay andi article vous bu fekkee article bobo setal na diw ñoom avez nay article hmm. wala vous lànk bañ au de quoi c'est là où je dis que les ennemis de la justice sénégalaise, ce sont eux les magistrats même. Magistrats yoyi até, ce sont eux les ennemis de la justice sénégalaise. buñu méré bougnou nañu nani sen bop. Magistrats yi, yi até, méré mereken, Méré méré population sénégale, méré mere kolendi saga, nani sen bop. D'abord, parce que bu féké yow que bi nga sol da nga wat, prêter serment, comme le président de la République, nous nous prêter serment comme le, le, le, le, le, le, euh, euh, le médecin, le mot prêter serment. Le journaliste. Le journaliste, le mot prêter, le euh, prêter serment. Mais yo, nous prêter serment, bon pareil, nous pour athée. athée aussi, l'on prêter serment. Ne yalla, ça me ak yalla lay athée. Ak loi, tu loi et le Mais yo, boy nous di athée. Ngay athée politique. Mais est-ce que on honorer sa métier? moto tax ñu ne la l'islam yalla dafa ne lo até fi di nga ko wat parce que yalla mo la choisir pour nga nek juge yalla du tab kenn de il choisit pas comme ça dans le pêle pour nit mu nek juge déedéet yalla du def loolu de yalla dafa xam ñu muy choisir pour ñu nek ay magistrat parce que dafa xam ni li nga até fi mom bu yo bu suba dina la ko laaj noko até atee muy choisir ay nit maintenant yow tu devais être fier d'être choisi par Dieu comme magistrat mm. Tu ci de tribunal devant les 17 millions de sénégalais il y yo cote nga toog ci tribunal di athées 17 millions de sénégalais ku mm. ku am problème ci yow lay tribunal tu devais être fier de ça voilà c'est clair yow bala ngay nek le président qui est là daf la fek nga nek suba day tu vas continuer d'être maïsra mais pourquoi pour des questions politiques ou bien ay politiciens dem di immiscer ci affaire justice yen tamit magistrat yi ngeen accepté parce que pour quoi pour des privilèges est-ce que privilèges yooyu suba di nga ko yóbbu ci kanam yàlla nga ne ko lii moo tax moom ma ateel nii nii yàlla faalewul xaalis yàlla faalewul xaalis musul sa faale xaalis. clair clair mais lu euh, yow yàlla la pour nga nekk kat nga dem di pour des questions de privilège nga jeng te yàlla waxul loolu nañu atee yoon nañu wa atee dëgg. magistrat yi Ziguinchor c'est pas il n'est pas trop tard pour bien faire mën nous sauver toute une justice sénégalaise. Euh, parce que des qui non mais bien sûr euh, mu ne. mais euh, ki nga je l'ai suivi et que il est optimiste. non non d'appel bu Ziguinchor dina daal di corriger les cour suprême d'arrêt def. non mais c'est normal tu sais pourquoi mu am yaakaar hmm. parce que la cour de Gigansor, la cour de Ziguinchor le tribunal de Gigansor doit être autonome parce qu'elles ne dépendent pas de la cour de Dakar. war nañu rendre un verdict bo xamanté ci sen propre coobare magistrat mais chapeauté par qui. non mais Lola, la mais dossier mais attends chapeauté par qui. dossier eh, le dossier dossier bi dafa dem. ok mais chapeauté par qui. le non tu sais non non sois soyons sérieux. mais le tribunal de Ziguinchor verdict que muy laaj. rendre du rendre verdict. Hmm du rendre comment euh, des comptes au tribunal de Dakar ils vont, les magistrats là, ils vont, ils vont pas, de, ils vont pas rendre des Mme, comptes. chapeauté par qui, madame, le ministre de la Justice Oui, mais le ministre de la Justice. Mais le ministre de la Justice. Non, attends. Premier le, ministre, le, président. Mané, le ministre de la Justice, il est politique. C'est un